de la drogue euh, euh, par rapport à la santé, il y a ce que nous appelons les complications liées à la consommation de la drogue. Donc des complications, des complications qui sont d'ordre de troubles de comportement. Les troubles de comportement, ce que euh, couramment les gens appellent la folie, donc les questions de, santé mentale où la personne va développer véritablement un tableau psychiatrique puis que nous appelons complications de la consommation de la drogue. Maintenant, ces complications-là diffèrent selon le type de la drogue consommée, bien sûr. Il y a certaines drogues, par exemple, là, telles que le tramadol, euh, qui peut donner des, troubles convertibles, euh, qui sont identiques à, une forme d'épilepsie telle que vous connaissez, la décision de la personne tombe, et des convertibles, comme une crise d'épilepsie pure. Ça, on voit ça dans la rue. Hein, ça, c'est donc le de au par exemple. Parce que chaque drogue a des types de complications qui peuvent entraîner. En dehors de ça, c'est des perturbations sur le plan du fonctionnement social, du fonctionnement professionnel que ça va, entraîner Et les consommateurs au bout d'un certain temps ou arriver à un certain niveau de, consommation, c'est-à-dire en termes de, en termes de donc voilà en gros hein, de façon très simplifiée ce que ça, peut donner comme complication en termes de santé mentale. Mais euh, l'ampleur quand même est là. La majorité aujourd'hui, surtout de la, des jeunes que nous recevons ici en consultation, ils sont soit liés à euh, des consultations euh, liées à la drogue ou, la drogue vient pour, comment on appelle ça, pour, pour exacerber et la maladie, c'est-à-dire pour eh, un peu, sais pas comment je vais l'expliquer. Donc il y en a qui, c'est la drogue qui, qui, les a conduits à, cette, à, la maladie ou au trouble de comportement. Il y en a, ils ont des troubles de comportement, mais la drogue est venue pour compliquer davantage leur situation, surtout en termes, de en termes de, de réduction ou en termes de stabilisation de leur état juga Islam Mozik tadi bila bila malam